le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, c'est Senia Ubakaka. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 MHz, Amphani FM 100 MHz et Kwarategi 90.9 MHz. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Birningaure, Tchirozerine, Magaria, Menesoroa, Tamaske, Bouza, Dolbel, Sai, Walam, Tera, Madawa, Dakoro, Tanout, Kabalewa et Ngingimi notre page Facebook Studio Kalangu, notre site internet www.studiokalangu.org. Le forum de ce soir aborde la question de la gestion des carrières de sable. Quel impact socio-économique et environnemental Le sable est la proportion fine des granulats. L'extraction de granulats est une pratique qui est utilisée pour prélever et exploiter le sable et les graviers dans des carrières, des dunes ou des plages ou pour le draguer dans le lit des rivières ou des océans. Les principaux besoins en granulats sont la construction et la poldérisation. Le béton est composé de deux tiers de granulats, sable et gravier. Pour construire une maison de taille moyenne, il faut environ 100 à 300 tonnes de granulats. Pour un bâtiment plus grand comme un hôpital ou un lycée, il en faut entre 20 000 et 40 000 tonnes. Chaque kilomètre de voie ferrée nécessite 10 000 tonnes de granulats et d'autoroute 30 000. Enfin, pour construire une centrale nucléaire, il faut 12 millions de tonnes. Notons toutefois que les routes font surtout appel aux granulats concassés issus des carrières de roches massives ainsi qu'aux déblais issus des démolitions et de l'emprise routière elle-même. Selon Wikipédia, depuis 5000 ans, les hommes ont extrait des roches exploitation de mines, déforestation et extraction de granulats, l'équivalent d'une montagne de 4 km de haut, 40 km de large et 5 km de long. Au Niger, cette activité procure des revenus substantiels aux jeunes ruraux, mais surtout aux sociétés spécialisées dans la conception et la construction de grands travaux. Les petits groupes de 5 à 6 jeunes chargent chaque camion 5 000 francs, voire 7 000 francs, pendant que les chauffeurs de camions de sable vendent en ville le voyage du sable à 25 000, voire 30 000 francs CFA. Pour en parler, dans ce studio, nos invités, Adamou Indolé, responsable des affaires domaniales de la communauté urbaine de Niamey. Monsieur Adamou, bonsoir. Bonsoir. Assoumi Tijani, chef euh, service environnement de la communauté urbaine de Niamey. Assoumi, bonsoir. Le troisième invité que nous attendons incessamment est M. Aziz Yaro, le représentant des chauffeurs de camions de sable. Monsieur, bienvenue au forum du studio Kalangou. Monsieur Adamou, Comment les sites de carrière sont identifiés et qui autorise le travail sur ces carrières euh, Merci. Bon, dans la ville de Niamey, en tout cas, il y a plusieurs sortes de carrières. Il y a des carrières pratiquement qui sont sauvages et il y a des carrières peut-être qu'on suppose qui sont contrôlées, bien que les carrières doivent être contrôlées. Bon, moi, normalement, c'est n'est pas de mon ressort, c'est le, ressort de la, ressort de la la voirie réseaux divers, mais comme on m'a invité, je vais quand même. L'expérience que j'ai à la ville peut me permettre quand même de m'expliquer par rapport à ça. D'accord. D'abord, il y a plusieurs sortes de carrières, en fait, comme on le dit. D'abord, pour qu'on comprenne, il faut qu'on sache d'abord c'est quoi une carrière. La une carrière, en fait, c'est un excès, c'est un endroit où on extrait des matériaux de construction, pierre, sable, euh, minéraux, donc non métalliques, à une opposition aux, parce qu'il y a des mines. Donc c'est ça en fait la carrière. Donc il y a plusieurs sortes de carrières en fait. Il y a les carrières euh, où on extrait de sable, on extrait de la latérite et on extrait même du, gravier, comme vous le dites, donc de mm. Donc c'est ça en fait. Donc, il y a, donc maintenant, pour le truc des carrières, en fait, la ville de Niamey n'a pas de carrière type. En tout cas, les carrières, en tout cas, c'est une congestion entre les propriétaires coutumiers et la ville. Donc, en fait, le chip a son champ. Et donc, quand la ville veut, quand quelqu'un veut extraire par du sable ou de la latérite, donc, il, il part sur la carrière il y a une, effectivement, il y a une taxe qu'il verse à la ville, c'est 1000 francs par voyage. 1000 francs par voyage. 1000 francs par voyage. Et maintenant, pour les, pour coutumiers, là, c'est un peu fluctuant. Ça peut être 1000 francs ou 2000 ou même plus. Ça dépend de ce que les, les extraits comme machin. Donc, c'est en fait ça le problème de, la carrière à Ville-Niamey c'est là où je peux vous dire ce qu'on Et donc, à mm. cette date, on mm. dénombre à peu près combien de carrières Il y en a en pagaille. Il y a route de Chilabiri, il y a route de, derrière le fleuve, il y a route de Walam, il y a route de Chilabiri, il y a route de Filangé, il y a même à Soré. Donc, c'est un peu partout, même dans les autres communes rurales comme on est quand même encerclé par des communes. Mm. Donc, en tant que tel, la mairie ne prend pas, n'identifie pas un site pour dire que voilà, ce site, on va faire de ce site. Donc, pour le moment, on n'est pas là. On n'est pas là le En tout cas, un peu partout, les gens exploitent un peu partout dans, les périphéries de la ville de Niamey, comme on le dit. Sinon, en fait, comme, comme je vous dis que c'est pour, pour des propriétaires coutumiers, c'est leur champ qu'on exploite. Sinon, la ville n'a pas exactement des carrières où c'est des carrières contrôlées, que là où on doit prendre de la terre ou là où on va prendre de gravier pour le moment. La ville n'en possède pas, ce que je sache. D'accord. Et vous, euh, Assoumi, vous êtes du service environnement. Une fois que le site il est identifié, quel est votre rôle Bon, comme il l'a dit tout à l'heure, au fait, euh, il y a des carrières sauvages. D'ailleurs, la plupart euh, des carrières exploitées à Niamey sont des carrières sauvages. Mais il y en a qui sont des carrières contrôlées, qui c'est, je crois que c'est le ministère des Mines qui autorise un peu ou bien qui donne un peu euh, la conformité pour l'exploitation de ce type de carrières. Euh, je crois qu'il euh, y a beaucoup, il y a certaines entreprises qui exploitent ces carrières qui sont contrôlées pour question de conformité. Ah Parce que si une entreprise euh, va exploiter, va prendre ces, ressources ou ces minéraux-là au niveau des carrières non contrôlées, là, il sera, il n'est pas dans les normes. Voilà. Donc, par rapport à l'environnement, normalement, c'est des études d'impact qui devraient être réalisées avant même euh, la, création de ces carrières-là. Donc, euh, euh, bien entendu, c'est surtout ceux qui sont contrôlés qui sont dans ces cas. Mais les carrières sauvages, comme il l'a dit, c'est vraiment des coutumiers qui ont des champs et qui, en connivence avec les exploitants, c'est-à-dire ceux qui ont les camionnaires là, ils passent, ils payent, ils donnent quelque chose, voilà, et ils commencent à exploiter. Mais ceux qui sont contrôlés, Là, vraiment, le BEI, le bureau d'évaluation, je crois que veille aussi par rapport à ça, s'ils sont en conformité. Et surtout, c'est les ministères des Mines qui sont impliqués dans le, la création de ces, de ces carrières-là. D'accord. Est-ce qu'à cette date, pour toutes les carrières contrôlées, il y a eu ces études d'impact environnemental Pour ceux qui sont contrôlés, et quand on dit contrôlés, c'est clair que euh, bon, je ne suis pas à mesure de confirmer ces informations-là, mais quand on dit carrière euh, euh, contrôlée, c'est clair que le ministère des Mines a, un a donné une autorisation et que l'environnement aussi est impliqué, surtout à travers le bureau d'évaluation environnementale et des études d'impact. C'est eux qui sont supposés contrôler c'est les impacts environnementaux. Hein. Mais pour la ville, précisément, hein, il n'y a vraiment pas un contrôle spécifique par rapport à ces carrières. Mais je vous dis, ce sont ces deux institutions-là du côté étatique, au niveau du ministère des Mines et les BU, qui sont impliquées dans les contrôles. Mais pour les carrières, c'est clair que ça existe un peu partout, hein, comme il l'a dit, dans les communes rurales qui nous entourent et même à l'intérieur, souvent qui sont même fermées parce que euh, les, autorités chargées de contrôler ces, carrières-là voient que ça constitue un danger ou bien c'est pas normal. Donc, ils, décident la fermeture de ces carrières qui sont sauvages. Mais pour ceux qui sont contrôlés, c'est clair, ils sont exploités par des entreprises qui sont dans les normes. D'accord, d'accord, Asmi. Euh, je reviendrai à vous. Monsieur Adam, qui contrôle ces carrières et comment est-ce que ces, ces, ces contrôles s'effectuent Bon, il vous l'a dit, hein, en fait, euh, les carrières, logiquement, c'est géré par le ministère des Mines, comme il le dit. Et toujours par rapport, il faut d'abord, comme il le dit, il y a toujours des les impacts, donc il y a l'étude d'impact environnemental qu'ils font. Donc, c'est ça, en fait, les carrières il y en a beaucoup à, à, pratiquement partout. Moi, je, peux vous citer un salon que je connais. Il y a Banous qui est déjà fermé. Il y a Route de Wallam qui est aussi fermée. Ah il y a Route de Toro qu'on ne pas toujours. Il y a la, carrière de Koubia où on est en train de faire actuellement le bout du village de la ville de Niamey pour le, truc de, le traitement des eaux usées. Ah il y a aussi une autre carrière au niveau de Niamey 2000 il y a une autre à Gour. Donc vraiment, il y a beaucoup de carrières à la ville de Niamey. Donc ça, c'est carrières que je vous ai cité là, parce que bah, ils sont fermés. Mais maintenant, la carotte autour, actuellement, ils sont en train toujours de l'exploiter où on prend le sable en temps le gravier, en temps la trite. mais pour le gravier, je crois que parfois ils partent jusqu'à jusqu'à la route, jusqu'à vers euh, pour aller prendre la, le gravier. Donc vraiment par rapport au... En tout cas, comme je dis, ce n'est pas contrôlé. Hein. Il n'y a pas de contrôle, en tout cas pratiquement spécifique que je connais par rapport à ça. Donc il n'y a pas en tant que tel une délimitation exacte de, de l'espace qui doit être exploité dans le cadre de ces carrières. Il n'y a pas de délimitation parce qu'en fait il y a même des carrières où parfois c'est même dans des parcelles que les gens même creusent. Il y a même des, dans des parcelles parfois. Il faut vraiment euh, parfois on est obligé parfois d'aller intervenir. Je me rappelle à un moment donné monsieur la de à Robanda, le semain le de ancien chercheur là, il y a des gens qui ont commencé à là où les Chinois ont fait l'exploitation, les gens ont commencé jusqu'à se rentrer dans les parcelles des gens. Donc il a fallu qu'on envoie une brigade de la police pour arrêter. Donc c'est pour ça c'est pour vous dire que pratiquement les carrières aujourd'hui, on ne peut pas dire que ces carrières sont contrôlées. Même si le ministère de Mines, en tout cas, même si le ministère de Mines a un œil là-dessus, jusqu'à présent, en tout cas, je peux vous dire qu'il y a un contrôle strict sur les carrières aujourd'hui de la ville de Niamey. D'accord. Mm. Euh, Concernant les, les, carrières sauvages, on mm. peut les considérer comme des, des, des carrières, euh, des sites illégaux d'extraction oui, du sable. c'est des sites illégaux. Parce qu'il parce que n'y a pas eu d'étude d'impact et puis le ministère des Mines pratiquement ne contrôle pas, donc ça devient des trucs. En tout cas, j'ai dit la plupart des fois, la plupart des carrières sont sauvages. Sont sauvages. D'accord. Mm. Sur ces carrières sauvages, mm. est-ce que la mairie prélève des textes, Logiquement, logiquement, logiquement, chaque carrière en tout cas qui exploitent la mise par soi des, taxes. D'accord. Monsieur Hassoumi, l'impact, on le voit, l'impact économique pour la mairie, en tout cas, il est dérisoire. Mais est-ce que l'impact euh, environnemental n'est pas aussi plus élevé C'est clair, c'est clair. Euh, <laughs> c'est clair que euh, on ne peut pas comparer. L'impact économique est tellement dérisoire par rapport à l'impact environnemental négatif que ça peut mm. engendrer. Parce qu'il faut reconnaître que des creusements, ouvre des carrières sur des sites n'ont pas fait l'objet d'études c'est des problèmes que ça peut engendrer qu'on ne peut pas même estimer. Hein? Ça peut causer vraiment des problèmes, de risques environnementaux majeurs. si on ouvre une carrière, très souvent, généralement, même après, même si on interdit après, les gens déversent des ordures dedans. Et ces ordures-là, on ne sait pas, peut-être la carrière est placée dans un endroit où la nappe est exposée. Donc c'est clair, ça risque, d'avoir des, contamination de la nappe euh, par rapport aux, aux ordures, aux déchets. Là. Et encore, il faut reconnaître que les camions qui fréquentent ces carrières-là, ils piétinent un peu partout sur le sol. Donc eh, ça, c'est des, des, impacts environnementaux négatifs aussi pour euh, l'environnement, pour la nature. Et aussi euh, le creusement, les creusements creuser carrément une carrière à ciel ouvert. Et même pour l'évolution de la ville, c'est des conséquences parce que eh, pour fermer ces carrières, c'est des problèmes et tout ça. Et encore... Euh, il y a aussi les problèmes de déboisement, parce que pour creuser, c'est sur des grandes étendues, hein, il faut déboiser carrément, on dénature, on coupe. On déboise carrément, peut-être des endroits boisés, juste parce qu'on a constaté quelques graviers sous le truc et on ne connaît même pas peut-être la teneur ou la richesse de ce truc, mais ils exploitent quand même. C'est pourquoi il est vraiment important, il est d'ailleurs même indispensable à l'heure actuelle que nos autorités euh, prennent les choses à bras le corps, qu'on veille au contrôle de ces, de carrières-là. C'est-à-dire ça ne coûte rien de, faire des études, d'identifier des sites, faire des études, délimiter et contrôler. Donc euh, ça, il n'y a pas de problème. Mais tant que c'est des carrières sauvages, c'est clair que les risques sont même inestimables à cause de je ne sais pas. C'est vrai, d'autres gens vont s'enrichir, c'est clair. Ils vont remplir les poches, ils vont faire combien de voyages. Les mairies, peut-être 1000 francs ou 500 francs qu'ils prennent, mais c'est rien par rapport au risque majeur que ça peut engendrer. Donc c'est clair, il n'est pas, il n'est pas permis vraiment dans un monde qui se respecte que chacun creuse comme ça euh, pour que comme il l'a dit, hein, il y a des gens qui sont prêts à creuser leur parcelle, à vendre, à mm. vendre les, sables de leur parcelle, mais eux, eux, l'alentour et les autres. Donc il faut respecter aussi les, droits des autres. Parce que quand on creuse, c'est creuse, tu exposes les autres à des risques, des ravinements, des ravinements. exemple, on a, comme vous le savez, on a un climat avec des, pluies torrentielles qui creusent déjà. Et si on encourage encore le creusement, ça va vraiment affecter, ça va faire des grands ravinements qu'on ne peut pas contrôler. Hein. Donc euh, c'est un facteur limitant pour les aménagistes, surtout pour l'évolution aussi future de, nos villes. D'accord. C'est clair que c'est pas à comparer. Hein. L'avantage euh, n'est pas à comparer. C'est très dérisoire l'avantage économique que les mairies gagnent par rapport au risque majeur que ça peut engendrer sur le plan environnemental. D'accord. Monsieur Adamou, c'est-à-dire que la mairie ne perçoit que 1000 francs par, euh, chargement de camion. Uniquement, c'est la seule. C'est la euh, seule somme. Alors que vraiment. Euh, en tout cas, peut-être que les autorités qui sont là actuellement peuvent, prendre des textes pour voir. En tout cas, c'est 1000 francs qu'ils prennent. Parce que moi, je, je me suis renseigné avant de venir. Comme je oui. sais c'est pas de mon machine, je me suis renseigné. C'est 1000 francs hein, qu'ils prennent. Alors que 1000 francs, vraiment, c'est dérisoire par rapport au voyage, quand même, c'est rien du tout par rapport à l'impact, en tout cas, que ça fait pour la ville. Parce qu'aujourd'hui, il y a des carrières sur la carrière au, centre-ville, par exemple, pour la combler. Moi, je vois la carrière, moi, je ne suis pas loin de la carrière de Manus Vous voyez, aujourd'hui, l'accès est difficile. tu, vois la maison, mais tu ne peux pas aller. Il faut faire le grand pour aller. Donc, ça veut dire que maintenant, pour combler ça, c'est quand même un, impact et vraiment, c'est un problème. Pourtant, quelqu'un quelqu'un d'autre dirait que la mairie ferme les yeux sur l'exploitation de ces carrières parce qu'elle euh, s'y retrouve dedans. Bon, euh. pratiquement, ils ne se retrouvent pas parce que je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que nous, peut-être, on va sensibiliser par nos autorités pour qu'ils comprennent que, en tout cas, les carrières, là, il faut qu'on. Avec, peut-être avec, en concert avec le ministère des Mines et l'environnement, il faut qu'on prenne des pour encadrer cette, cette, opération. Parce qu'on ne peut pas continuer à exploiter des carrières un peu partout autour de la ville et que pratiquement la ville ne gagne rien. Et aujourd'hui, et ça nous cause des problèmes. Des problèmes, en tout cas, sur tous les plans. En tout cas, vraiment, il faut que nos autorités, en tout cas, prennent le problème à bras le corps pour pouvoir régler ce problème. Mais est-ce que le ministère des Mines lui perçoit quelque chose Bon, moi, je ne peux pas savoir, mais je, ne peux pas, parce que je ne connais pas comment en tout cas, c'est eux qui autorisent quand même les trucs des, carrières, bien qu'il y a beaucoup de carrières sauvages. Je crois que peut-être, je ne sais pas, moi, je ne peux pas me prononcer par rapport à ce que le ministère des Mines est en train de faire. Je ne peux pas me, prononcer par rapport à ça, parce que je n'en sais pas. D'accord. quel, impact social présente ces carrières, selon vous bon, je sais que j'ai déjà expliqué, hein, j'ai dit c'est ça. Parce que mm. j'ai dit, par exemple, comme vous prenez par exemple le cas, une, ville comme Niamey, où on n'apprend pas les moyens, par exemple, il y a une carrière qui est au centre-ville. Aujourd'hui, par exemple, il y a il y a des ravénements. Moi, je connais, j'ai dit le quartier que je connais très bien. Les en tout cas, les, les, qui sont autour ont des problèmes parce que pratiquement, les personnes sont en train de partir. Parce qu'avec les ravinements, les eaux les pluies le ruissellement font que maintenant les personnes sont en train de partir. Les gens ont leur parcelle aujourd'hui à cause de ce truc qu'on ne peut pas fermer. Ça nous cause énormément de problèmes. Parce que parfois, il y a beaucoup de plaintes par rapport à ça. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de semences où les gens, viennent nous voir, disent que vraiment, elles ont des problèmes au niveau des carrières. L'exploitation fait que les personnes sont en train de partir carrément les coutumes ont été dédommagés, mais ils reviennent encore pour encore exploiter encore les mêmes carrières. Les mêmes carrières. Et ça nous cause beaucoup de, énormément de problèmes. Je crois que nous, on va subir nos, nos responsables pour que vraiment ils prennent des dispositions par rapport à cet état de fait. D'accord. Mm. Et concernant les carrières sauvages Il faut qu'il y ait une conjugaison d'efforts entre le ministère des Mines, l'environnement et la ville pour pouvoir euh, encadrer cette, euh, cette activité. En tout cas, qui engendre des ressources là où les gens. Il y a beaucoup qui en gagnent, en tout cas, qui gagnent beaucoup là-dedans. D'accord. Mm. Monsieur Hassoumi, l'extraction du sable n'épargne pas le lit du fleuve Niger. Est-ce que cette pratique a des impacts aussi sur le fleuve Ben oui, c'est clair que dès qu'on dit, dès qu'on parle d'activités non contrôlées, et nous sommes dans les bassins du fleuve. toutes les activités qu'on fait, que euh, les hommes sont en train de, mener, ils ont des impacts sur le fleuve. Et surtout quand on parle de d'exploitation des sables parce que c'est les, comme vous le savez la, nature c'est un cycle fermé hein. mm, c'est-à-dire comme rien ne se crée rien ne se perd tout se transforme mm, c'est clair donc si tu vois les cycles les sables qu'ils prennent ailleurs ils les, déversent ils, font des activités quelque part ça peut affecter le fleuve et d'ailleurs même qu'est-ce qui amène le, fleuve, le, sable dans le fleuve C'est le déboisement. Et le déboisement, c'est clair au niveau des carrières non contrôlées là c'est clair, c'est dans ça, a des rapports. Donc dès qu'on déboise, on dénude le sol, on a des pluies torrentielles, ça charrie le sable vers le fleuve. Et, et aussi c'est un phénomène qui, c'est une activité qui encourage ou bien qui accélère les phénomènes de ravinement. Pourquoi ne pas créer, ne pas essayer de voir dans quelle mesure on va enlever les sables du fleuve et exploiter et valoriser ces sables-là. C'est-à-dire, au lieu de, au lieu que les gens prennent au niveau des, carrières, mm. on, on essaie d'exploiter de, créer une exploitation du sable au niveau du fleuve. Bien entendu, que ça soit aussi contrôlé. On voit dans quelle mesure les, les endroits où le sable atteint un niveau, où le, lieu du fleuve est très comblé, on essaie d'extraire et maintenant d'utiliser ce sable dans ces constructions. D'ailleurs, même, il y en a beaucoup qui disent que c'est des sables vraiment de qualité, de grande qualité, qu'on peut exploiter au niveau du fleuve. Et en même temps, on va contribuer à désensabler le fleuve. Parce qu'il faut reconnaître que c'est un travail, de, un travail de titan qui nous attend là-bas. Parce que le fleuve est la vie, c'est le, le, Niger. Les fleuves, si les, les fleuves n'existent pas, c'est une partie du Niger qui n'existe pas, pas. Parce que les noms du Niger viennent <laughs> du fleuve, ben là, on a intérêt à voir ses côtés. vous, vous, préférez beaucoup plus qu'on exploite le sable du fleuve les, sables. On essaie de voir comment extraire ces sables du fleuve et valoriser ces sables en l'utilisant pour nos constructions. Au lieu d'aller creuser des carrières un peu partout. Hein, c'est ça que je vois. Et surtout qu'on n'a même pas les moyens de gérer ces carrières, parce que pour, pour faire une carrière, il faut aussi penser la fin de la carrière et les combler, les, euh, rendre l'endroit euh, normal. Et ça, c'est pas facile. Très souvent, tous ceux qui vivent autour des carrières, là, ils sont même malades, des, maladies respiratoires, tout ça, parce que mm. les gens déversent des, toutes sortes de déchets et ils brûlent. Tu vas voir n'importe quoi qui brûle dans, ces carrières-là. Personnellement, hein, j'en vu, j'ai même intervenu pour euh, éteindre des feu euh, <laughs> à des endroits pour dire que vraiment c'est un problème qui est récurrent. Hein, au niveau de ces carrières-là, tu vois, tous ceux qui vivent, ils sont dans des difficultés respiratoires parce que toujours il y a des fumées qui se dégagent des déchets. On, laisse tout ça, on, on laisse les creusements là, on essaie de canaliser l'exploitation, surtout du côté sable, au niveau du fleuve. Comme ça, ça va contribuer aussi au désensablement du fleuve. Mais là, ça doit être cadré. Hein. Comme je l'ai dit, surtout l'environnement, il doit y avoir des, des, contrôles ou bien identifier des sites eh, qui sont habilités à ça et essayer de, de sauver en même temps le fleuve et d'éviter aussi de, nous, creuser un peu partout euh, on a des carrières euh, sauvages partout, c'est pas bien. D'accord. Est-ce que si on revoit les, les, la, taxe, est-ce que cela peut permettre de diminuer et eh, ses carrières. Bon, ça, ça m'étonne en tout cas parce que c'est une opération, en tout cas, c'est une activité, ça c'est difficile de freiner ça. En tout cas, moi, je sais que je demande des journalistes de chercher à encadrer. Il faut chercher il faut que aussi la, mairie trouve qu'on compte. Parce que, en fin de compte, quand la carrière est terminée, on laisse à la mairie, c'est la mairie en tout cas qui va gérer après. Donc, eux, ils font la carrière, ils s'en vont. Donc, c'est la mairie qui va gérer. Donc là, vraiment, il faut que la mairie, en tout cas, prenne ses responsabilités par rapport à cette affaire de, de carrière. D'accord. Hassoumi, est-ce que, euh, en dehors de la taxe de 1000 francs que la, mairie perçoit sur ses carrières, est-ce qu'il y a une autre taxe liée justement à, la dégradation de l'écosystème euh, je ne pense pas si l'environnement, je ne pense pas si l'environnement prélève euh, une taxe directement au niveau des exploitants. Mais je sais, que je crois, c'est clair que si c'est si au niveau des carrières peut-être contrôlé. contrôlées, à l'origine, c'est clair qu'il y a des études d'impact qui sont réalisées, qui sont confiées peut-être euh, aux autorités euh, en charge de l'environnement. Et du côté du ministère des Mines aussi, c'est pareil. C'est clair que c'est une autorisation, voilà, ça nécessite certains, certains taxes qui sont prévues peut-être dans, dans, dans, la législation. Je ne sais pas, je ne maîtrise pas sincèrement ces côtés. Mais eh, côté, côté de la mairie, côté de la mairie, je ne suis même pas sûr si vraiment à tous les niveaux, au niveau de toutes ces carrières-là, que ces taxes-là rentrent directement dans les caisses de la mairie. Même les taxes, même les 1000 francs. Même les 1000 francs. Peut-être que les individus peuvent s'organiser ou bien peuvent aller percevoir avant même qu'ils ne soient contrôlés, on ne sait jamais. Mm. C'est clair, 1000 francs qui rentrent dans les caisses de la mairie, vu l'impact ou l'ampleur de, des dégâts, moi je crois que c'est pas responsable. Il est temps vraiment d'arrêter et de, de, de, pouvoir organiser cette filière là Ça peut être rentable pour la mairie dès lors qu'elle euh, n'impacte pas négativement sur l'environnement local. Mais dès lors que les impacts négatifs sont majeurs par rapport à l'avantage, euh, que, ça procure à la, mairie ou bien aux citoyens, moi je crois que c'est à revoir par rapport, euh, par rapport effectivement à qui ça profite, euh, il faut dire que c'est, comme il l'a dit, hein, c'est qui, c'est vraiment à ceux qui vendent, qui, qui prennent, qui vendent, parce que 1000 francs que la mairie perçoit, on ne peut pas considérer ça grand chose. mais plutôt, il y en a des individualités qui, qui profitent, qui, qui s'enrichissent, on peut le dire. Mais vu vraiment l'impact négatif que ça cause à la communauté, on ne peut pas fermer les yeux sur ça. Les carrières créent aussi des emplois pour les jeunes ruraux. Oui, créer des, emplois, mais il faut orienter la création de ces emplois vers des, vers des activités profitables à, la vie, comme on le dit, c'est-à-dire à, la nature et aussi à la, vie, mais pas, pas causer des dégâts. C'est clair, même si tu veux faire des dégâts, tu peux, tu peux créer des emplois, mais il faut que la création de l'emploi soit faite dans, dans le bon sens. On peut réorienter, comme je l'ai dit, ces, ces, ces, emplois-là, la, création de ces emplois, vers, euh, par exemple, une exploitation noble, qui est l'exploitation du sable, peut-être du fleuve. Pourquoi n'est pas orienté Ça pourrait même apporter plus, parce que ces jeunes qui sont de l'autre côté, euh, ils sont exploités, on ne sait même pas comment, ils mm. sont exposés, on ne sait même pas dans quelles conditions ils travaillent. Alors que si c'est contrôlé, si c'est si vraiment officiel, ça, ça, ça, ça, ne pose, ça ne peut que leur procurer des bénéfices. Hein. Là, peut-être la personne va gagner 1500, 5000 francs, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il a inhalé, quelle quantité de poussière il a inhalé au niveau de ces carrières-là qui se créent n'importe comment. Hein? Donc c'est pourquoi je dis, c'est vrai, ça crée de l'emploi, mais il faut que la création de l'emploi là soit une, de l'emploi vraiment bénéfique et qui, qui, profite non seulement à la personne, mais qui préserve aussi sa santé. D'accord. Euh, c'est le ministère des Mines qui, en principe, qui autorise justement l'ouverture de, de, ces carrières. Oui, en principe. Mais est-ce que la mairie a cette prérogative d'imposer une taxe sur la question de la dégradation de l'écosystème pour un peu remédier à ce problème. Est-ce que la mairie peut, peut, imposer cette taxe, cette taxe-là est-ce qu'il est aussi, vous pensez que c'est utile Bon, euh, si la mairie peut le faire, c'est clair que euh, maintenant, avec euh, la décentralisation qui est en train de, de voler vers, vers les l'autorisation des, des En tout cas, la responsabilisation euh, un peu poussée, transfert de compétences. Moi, je crois que les mairies doivent jouer un grand rôle dans ce sens. Hein? C'est vrai, les ministères des Mines, puisque c'est l'institution en charge de, selon la législation, mais quand même, il y a un certain transfert de compétences au niveau de ces communes-là et aussi une certaine responsabilisation mm. de, ces, de, ces, communes. Et donc, euh, ils peuvent jouer vraiment, moi je crois qu'ils peuvent jouer un grand rôle dans, ces, dans cette euh, activité en sensibilisant davantage, parce que les communes sont c'est clair, ils sont la proximité, ils sont plus proches des communautés. Donc ils peuvent déjà sensibiliser euh, les, coutumiers par rapport à la destruction de leurs champs et aussi sensibiliser même la jeunesse par rapport à la préservation de leur santé et, ne pas se lancer dans n'importe quelle activité et aussi sensibiliser même les camionneurs qui euh, sont en train d'exploiter euh, ces carrières sauvages-là. Hein? Et la mairie, encore, comme je l'ai dit, lui, il est le directeur des affaires foncières. C'est clair, sur le plan foncier, la mairie a beaucoup d'expertise hein, pour un peu réorienter euh, un peu ces activités-là, euh, là où il le faut. Hein. Par exemple, euh, même la création des carrières, les mairies ont leur mot à dire, les communes ont leur mot à dire. Peut-être ça peut encore profiter plus pour eux quand ils sont impliqués, même dans la création de ces carrières et aussi dans le contrôle de ces carrières. D'accord. Monsieur Adamou, si on va à la question du français, quel dommage ces carrières vous causent ah, je vous l'ai dit, hein, le dommage, c'est que c'est le dommage est énorme parce que j'ai dit, il y a parfois des sites où le soin est fait, mais les gens viennent creuser dans les leçons. et ça nous cause énormément de problèmes. Parfois, les coutumes sont les, les, personnes sont nous voir pour dire que vraiment leurs personnes sont englouties par, par ces trucs. Bon, je vais un peu revenir sur ce que vous avez posé comme question au, au euh, commandant par rapport à si la mairie peut faire quelque chose. Oui. la mairie a une gouvernance locale. La mairie peut faire. Euh, aujourd'hui, euh, c'est vrai, la ville on a une délégation spéciale qui a pratiquement le même rôle que les, que les maires élus. Donc, ils peuvent effectivement prendre des arrêtés pour fixer des prix et les, gens gens obligés de se conformer. Donc, c'est la même chose parce qu'en tout cas, le conseil peut décider d'augmenter ou de diminuer des prix. Donc, le conseil, la aussi peut faire la même chose par rapport au, prix. Ils peuvent rehausser le prix. ça va un peu, un décourager un peu les, les les, les porteurs coutumiers et les camionneurs pour pouvoir un peu réduire le, ce, truc qui est vraiment qui impacte beaucoup sur l'environnement de la ville de Niamey. D'accord. Est-ce que l'exploitation des carrières peut avoir des, impacts négatifs sur l'agriculture Ah oui, parce que là, la, terre est pratiquement partie, parce que je ne peux pas, pas aujourd'hui exploiter que c'est dans, dans, un bas Parce que ça devient, parce que là, quand on creuse, le truc va exploiter où Donc c'est un gros problème pour, le truc. un gros problème. D'accord. Mm. Bien sûr que, que oui. Dès qu'on parle des des, risques de contamination des nappes c'est clair, euh, beaucoup, beaucoup de, beaucoup de producteurs exploitent cette nappe là. Donc euh, ils peuvent, ça peut directement les affecter. Et même à part ça, la carrière est créée dans, les champs, dans la nature. Donc c'est clair, ça va prendre assez de terres euh, en faveur de, de, l'agriculture. Et aussi, bon, comme je l'ai dit, ça, ça va encourager, ça va un peu accélérer le phénomène des ravinements tout autour. Donc tu vois, les ravinements, c'est pas quelque chose de souhaitable dans les champs. Donc tout ça, c'est clair que eh, déjà en plus de l'urbanisation <laughs> qui, qui, empiète sur les champs, c'est des phénomènes qui, qui, contribuent aussi à, qui, qui contribuent négativement donc euh, à la production agricole. D'accord. D'accord. À quel moment l'on juge nécessaire de fermer une carrière ben, c'est sûr que si c'est contrôlé, ça c'est normalement bien avant, ils estiment une date de mm. l'exploitation. Mais si c'est les carrières sauvages, c'est clair que quand les gens vont se plaindre, commencent à se plaindre, c'est clair, que les autorités seront obligées de dire d'arrêter. Mais même si c'est qui, qui rend difficile l'arrêt de ces carrières, parce que ceux qui les exploitent ne reviennent pas pour combler ou bien pour euh, réparer un peu euh, les dommages. Hein? Parce que normalement, à la fin d'une carrière, on devrait combler l'endroit pour que ça ne pose pas de problème. Mais comme ce sont des carrières sauvages, il n'y a pas de responsable. On, ne peut pas dire telle personne est responsable. Donc, euh, c'est clair, la responsabilité peut-être va tomber sur la, collectivité. Hein? Donc, on ne peut pas dire pour les carrières sauvages, une telle période. C'est quand les mm-hmm. gens vont commencer à se plaindre que bon, leur champ ou bien leur maison ils sont en train de s'effondrer ou bien ça s'approche à la ville ou bien si ça les, parcelles sont déjà dedans, les gens vont commencer à, à se plaindre en ce moment-là et ils vont procéder à l'interdiction de... des à arrêter la fréquentation de ces sites. D'accord. Monsieur Adamou, il vous est arrivé de fermer plusieurs carrières, qu'elles soient sauvages ou contrôlées C'est oh, pas fermé, ça dit que moi, que je connais seulement un, cas, c'est celui de, de, le fleuve, euh, sur le site de le chercheur, où il y a les gens ont commencé à creuser jusqu'à ce qu'ils ont créé sur les trucs. On de mettre une, la police pour pouvoir faire la ronde pour empêcher l'exploitation parce qu'ils sont, en train de, sont en train de créer les parcelles des gens. Donc moi, c'est ça que je connais quand même. En tout cas, on avait, on la Jusqu'aujourd'hui, la police entend d'aller pour les empêcher, en tout cas, de, de criser dès qu'ils trouvent un truc où il la traite, ils vont criser. En tout cas, c'est le seul site que je connais où on a mis la police pour empêcher de, de, criser. D'accord. Monsieur Assoumi, est-ce que la loi, qu'est-ce que la loi a prévu pour permettre la restauration de ces espaces Bon, la loi a prévu, euh, mais malheureusement, <laughs> les gens ne respectent pas parce que normalement, il y a selon même les conventions internationales, tout ça que le Niger a ratifié, selon même les lois du Niger, si tu causes un dommage, tu es responsable. Tu es responsable pour remédier à, ces, dommages. Mais malheureusement, on ne trouve pas des responsables. Quelqu'un, il commet les forfaits, c'est longtemps après que les gens vont constater et après, on ne sait même pas qui. Parce que, surtout par rapport aux carrières sauvages, il n'y a personne qui est indiqué, qui, qui, va prendre la responsabilité. Mais sinon, effectivement, dans tous les domaines, pollueur, payeur. Hein. Si tu pollues, tu payes. C'est clair. Si euh, la loi a prévu tout ça, mais malheureusement, comme je l'ai dit, dans les cas des carrières sauvages, il n'y a pas de responsabilité identifiée et connue. Hein? Donc ça tombe toujours sur la mairie, collectivité. Donc là, tu vois, c'est là qu'on voit qu'on va constater que la mairie ne gagne pratiquement rien, rien du tout. Il ne gagne que des dégâts, que des dommages, que des, difficultés. D'où il faut revoir. il La il vraiment il est vraiment temps. Et il est temps que, au plus haut niveau, que vraiment les responsabilités soient dégagées par rapport à ça, que nos responsables euh, vraiment euh, Veillez à ce que ces dommages-là soient évités dès, maintenant. quoi. D'accord. Euh, Monsieur Adamou, est-ce que vous avez souvenance d'une seule carrière au Niger ou à Niamey qui a été euh, une ancienne carrière qui a été restaurée, qui a été complètement fermée En tout cas, <laughs> je ne sais pas très bien. En tout cas. Bon, je sais qu'il y a d'autres carrières qui ont été pratiquement vendues hein, à des commerçants. Et c'est les commerçants, mmh, qui... ont acheté l'ensemble de la carrière et ils l'ont carrément clôturée. Mais comblé, en tout cas, je ne suis pas très sûr. En tout cas, ça fait 30 ans que c'est à la mairie, 32 que c'est à la mairie, je ne suis pas. En tout cas, je ne me rappelle pas une carrière qui a été, en tout cas, pour moi, comblée. Mais peut-être, un peu peut-être celle de, de route de Wallam, que je connaissais, qui était là depuis les années 80. Oui. Parce que là-bas, on peut supposer que c'est pratiquement fermé, mais c'est avec les ordures qu'on ferme. Donc, ça veut dire qu'on suppose qu'on n'a rien fait, pratiquement, c'est comme c'est avec les ordures sinon, je ne me rappelle pas qu'il y a une carrière qui a été complètement fermée. Moi, je ne me rappelle pas très bien. Je ne sais pas si peut-être le commandant au courant, mais en tout cas, je ne me rappelle pas qu'il y a une carrière qui a été carrément restaurée. Oui. En tout cas, je ne sais pas très bien. Selon, euh... les normes, euh, commandant, comment est-ce que ces carrières doivent être euh, refermées C'est avec justement des ordures ou bien Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pourquoi euh, le ministère des Mines est impliqué. Normalement, c'est c'est c'est pas avec des ordures qu'il faut combler les trucs parce que eh, imagine si tu si tu combles avec les ordures les ordures sont c'est des matières qui sont en activité et très souvent tu vois c'est les commerçants ou trucs qui pensent qu'ils peuvent combler avec des, des déchets pour venir construire immédiatement tu vas avoir des fissures parce que le bas quand vous fermez ces ordures là il y a des activités microbiennes qui vont s'effectuer à des microbes qui font anaérobique et aérobique, c'est-à-dire qui fonctionnent en absence de l'air ou en présence de l'air, qui font des activités qui font que la, la, le substrat bouge. Donc c'est clair, si tu construis ta maison sur un substrat qui bouge, tu vas avoir des fissures. Donc c'est n'est pas du tout ça. Mais bon, c'est clair, ils ont leur euh, euh, façon. Je veux pas, sincèrement, c'est pas mon domaine, mais je sais qu'il y a quand même des, des matières. Souvent, on met des, euh, bétonnage ou quelque chose comme ça. En tout cas, ils ont des façons de combler les carrières ou bien des façons d'utiliser. Par exemple, ceux qui font les carrières, ce qui peuvent, ce que, peut-être les, constructeurs peuvent, c'est peut-être des maisons où on peut faire des souterrains. Ça, peut-être on peut imaginer que ça peut se faire parce que déjà on creuse pour faire. Mais sinon, euh, penser mettre des déchets pour combler, venir exploiter ou même faire des constructions dessus, ça, c'est des problèmes seulement que tu vas te créer. Donc, c'est très, c'est très pertinent, c'est très, très important. C'est pourquoi il faut que ça soit fait vraiment de façon contrôlée. Qu'on sache quand ouvrir, quand fermer et comment fermer. Euh, comme ça, tout le monde est quitte. Mais si n'importe comment, n'importe qui va, parce qu'il a vu un peu de gravier dans son champ, il va mm. appeler les gens, venez creuser. Et après, quand les conséquences qui vont en pâtir, c'est vraiment les collectivités, comme je t'ai dit. D'accord. Monsieur Adamou, si on limite ces carrières, est-ce que la mairie peut bien justement les gérer l'Amérique peut bien, parce que quand l'Amérique, tout le monde sait que l'Amérique a une certaine expertise. L'Amérique peut bien gérer, mais je, comme j'ai dit, il faut que vraiment que le ministère des Mines nous associe dans, dans des cas où il y a des carrières qui, sont créées, des carrières contrôlées, Il faut que l'Amérique vraiment soit vraiment impliquée pour que. Parce qu'en fin de compte, ça va revenir toujours. Le problème, en tout cas, ça sera toujours sur la mairie. En tout cas, c'est surtout la collectivité qui va en compatir. Donc ce n'est pas les mille francs qu'on prend par voie qui vont, nous donner le problème. Donc vraiment, je crois qu'il faut qu'on trouve des solutions par rapport à ce, phénomène, en tout cas qui est en train de prendre de l'ampleur dans la ville de Niamey. C'est ce que je peux vous dire par rapport à ça. Du point de vue environnement, qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui sur cette question de carrière C'est vraiment de, de respecter les textes parce que je crois que le Niger a des textes par rapport à tout ça. C'est déjà clair. Ce n'est pas les textes qui manquent, hein, c'est vraiment l'application. Et surtout le contrôle. Et le contrôle, maintenant, vraiment, les collectivités ont une grande responsabilité dans ça. Et là, c'est de vraiment veiller peut-être euh, à renforcer ces contrôles-là et vraiment à veiller pour que chaque responsable, chaque, chaque, chacun soit mis devant ses responsabilités. Hein. Et par rapport par rapport au ministère des Mines qui, qui sont censés contrôler les carrières euh, normées, qu'on se, se, donne vraiment ces objectifs-là, c'est-à-dire qu'ils qu'ils se mettent avec euh, les, collectivités, avec les ministères de l'Environnement, pour qu'on érige ces choses, et ces, ces, infrastructures, bon, ces, ces domaines-là dans les normes, hein, pour normaliser les choses c'est-à-dire faire des études d'impact avant l'instauration, avant l'ouverture des, des, carrières. Et ça, c'est vraiment le ministère de l'Environnement qui s'occupe de ça. Et du côté du ministère des Mines, c'est eux qui identifient, c'est eux qui sont, qui sont censés identifier les sites à carrière et maintenant d'impliquer davantage les collectivités qui, pour un peu la gestion et même un peu le contrôle de ces, de ces carrières-là. D'accord. Monsieur Adamou, qu'avez-vous besoin au niveau de, de la pour mieux gérer justement euh, cette question de carrière qui cause quand même des, beaucoup de dommages comme le commandant l'a dit, il y a vraiment les textes. C'est l'application des textes le problème. Hein. En tout cas, il y a des textes qui ont été élaborés, des textes a, où l'État a souscrit. Vraiment, il faut, comme je le dis toujours, hein, il faut, faut en tout cas vraiment encadrer cette, euh, cette activité. Parce que je crois que la, mairie pouvait le faire quand On peut l'encadrer parce que j'ai dit, comme euh, je dis, il y a une gouvernance locale qui est là, qui peut en tout cas prendre des textes pour pouvoir réglementer euh, cette, activité. Il faut que la mairie ait plus d'autorité. Plus d'autorité par rapport à ça. Et on peut avoir des autorités aussi pour le faire. Est-ce que, c'est possible Est-ce que à cette date, est-ce que la mairie peut interdire euh, la création d'une carrière sauvage sur, euh, sur, sur un champ privé où un, propriétaire terrien accepte justement de, euh, accepte une carrière dans son champ. Est-ce que la mairie peut l'interdire à cette date aujourd'hui Bon, en principe, la mairie peut bien interdire, parce que la mairie a quand même des arguments pour l'interdire. Ah la mairie peut bien interdire, j'ai dit, comme j'ai dit, est-ce que le maire prend un arrêté pour dire ça, là, on arrête et on arrête Pratiquement, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Les gens sont obligés de, de se conformer, parce qu'on voit l'impact, on voit ce que, ça, ce que ça coûte à la ville tout cas, l'État peut, en tout cas, la ville peut, le maire, par exemple, le, le, peut prendre un arrêté pour effectivement empêcher des trucs on pense que ça va impacter sur le de la ville. La mairie a déjà commencé des réflexions par rapport à cette question Moi, je ne peux pas dire, pour le moment, je ne peux, pas me prononcer. Moi, je suis interagent. En tout cas, nous, on va en tout cas dans ce sens. En tout cas, on va en tout cas eh, conseiller nos patrons dans ce sens. D'accord. Donc, euh, monsieur Adamou Indoli, nous sommes au terme de ce forum. Il faut surtout comprendre que sur la question de ces carrières de sable, la mairie ne gagne pratiquement rien, sauf les sociétés et les, et les, camionneurs. qui s'en sortent beaucoup plus. Et cette question de cette carrière impacte négativement sur euh, l'environnement, l'agriculture. Espérons que les autorités au plus haut niveau feront de cette question de carrière une euh, des priorités pour permettre justement la gestion efficiente des carrières et probablement arrêter définitivement les carrières sauvages. Nous sommes donc euh, au terme de ce forum. Nous avons eu comme invité dans ce studio Adamou Indole, les responsables des affaires domaniales au niveau de la communauté urbaine du Niamey, et Monsieur Hassoumi Tijani, chef euh, service environnement, toujours au niveau de la communauté urbaine de Niamey. Je vous donne rendez-vous pour un autre forum du studio Kalangou à partir de demain, donc 18h15. Merci et au revoir.